auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires de Studio Kalangou, bonsoir, bienvenue au Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève, et ce, avec euh, des confrères des médias de Niamey. Trois sujets au menu de notre émission, tournée diplomatique du Premier ministre de transition Ali Mohamed Laminzen dans quatre pays, à savoir la Russie, euh, la Serbie, la Turquie et l'Iran, quelle retombée Analyse à suivre dans un instant. Attaque meurtrière à jeudi 11 janvier 2024 au poste de contrôle de l'escadron de sécurité routière et d'escorte de la gendarmerie de Laoudou à 17 km de Niamey sur la route de Saya-Bilan trois civils tués et sept autres blessés. Enfin, Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024, toutes les équipes ont joué leur premier match. Le point sur la première journée dans cette émission, la Cannes se déroule jusqu'au 11 février 2024. Pour débattre de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Memouna Diado et les journalistes indépendantes. Arimi Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Merci de nous recevoir chez vous pour ce numéro du Forum de la presse de ce vendredi 19 janvier 2024. Nous le disions en titre, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Zena a entrepris cette semaine une tournée diplomatique. Il a commencé son voyage le lundi 15 janvier par Moscou. Ali Mahaman Zen euh, voyage vise un renforcement des relations Niger-Russie, nous apprend le journal gouvernemental Sahel dimanche. Alors, premier tour de table avec vous, Maimouna Diado. Quelle autre information euh, détenez-vous au sujet de, ce, de cette visite de travail du PM en Russie euh, La visite euh, de travail du Premier ministre Lamine Premier ministre nigérien Lamine Zen en Russie, mm. c'est dans le cadre justement de la coopération mm. entre le Niger et la Russie. Et deux points aussi, je, je puisse m'attarder, il y a quelques points euh, Qui vont être euh, discutées dans le cadre toujours de cette coopération. C'est comment est-ce que, en termes de sécurité, comment est-ce qu'aujourd'hui la Russie peut euh, euh appuyer, le, Niger. Et il y a également cette question de euh, économique d'échange en tout cas économique, entre le Niger et la Russie. Et il y a comment est-ce que aujourd'hui également la Russie peut soutenir le Niger sur le plan de l'agriculture, sur le plan comment investir, comment moderniser notre agriculture pour qu'on puisse être autosuffisant. Justement, au stade actuel aujourd'hui, comment euh, vous analysez euh, les rapports ou bien la coopération euh, Niger-Russie euh, la coopération Niger-Russie, moi je vois, je, je fais une analyse que aujourd'hui c'est le Niger a trop tardé même euh, ne faisons pas donc euh, <clears throat> le Niger a trop tardé en hein, ne fortifiant pas donc cette coopération et je pense que donc c'est bien réfléchi pour euh, cette coopération avec euh, la Russie, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas aussi compter sur la Russie hein, en termes de, euh, en termes de sécurité, mhm. en termes de développement d'un pays. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, la Russie fait partie des pays, en tout cas, qui arrivent à se distinguer en termes surtout, comme je l'ai dit, de développement et mhm. en termes de sécurité. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils détiennent le monopole même euh, de, de, de, de, la sécurité, le monopole euh, que ce soit en formation, que ça soit euh, le matériel adéquat, que ça soit beaucoup de choses qu'aujourd'hui, nous les pays qui sont en face de cette sécurité sont en train de chercher. Mhm. Donc c'est un pays qu'il faut compter avec, c'est une grande puissance. Mhm. La Russie fait partie des grandes puissances et je pense que c'est avec une grande puissance aussi qu'on pourrait arriver en tout mm. cas à mettre fin euh, certainement donc à cette insécurité. La euh, Russie donc est une grande puissance et c'est une coopération bien réfléchie entre le Niger et ce pays. Mais vous, Arimi, euh, dans quel domaine la Russie peut bien appuyer le Niger aujourd'hui ben, Dans plusieurs domaines. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est quand même l'émanation de l'URSS, n'est-ce pas mm. Et depuis du temps de l'URSS, il y avait une collaboration, une euh, comment on appelle, une relation diplomatique euh, très heureuse d'ailleurs entre le Niger mm. et euh, l'URSS. Après, bon, après les années 90, le recul, le démantèlement, je dirais, de l'URSS et tout, et ce qui est devenu la Russie, malheureusement, depuis un certain temps, à tort ou à raison, le comportement de la Russie, les capacités de la Russie ont été ramenées carrément au plan militaire. Mm. Et même malgré tout, y compris d'ailleurs avec le régime euh, déchu, n'est-ce pas, il y avait une relation déjà au moins de formation et d'achat d'armement. Mm, mm. Euh, on a vu des traces euh, d'entreprises russes et tout dans les affaires de MDN et, tout. Mm. Mais aussi, on a nos avions, sont des avions qui viennent de la Russie et tout. Avant ça, donc toujours du point du, du temps du CMS et tout, les relations, y compris culturelles, il y en avait entre la Russie et le, Niger. Voilà. Et aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, euh, le monde entier euh, s'est rendu compte que ce n'est pas qu'une puissance militaire, c'est aussi une puissance euh, agricole, n'est-ce pas, qui peut aider le Niger au plan vraiment du, euh, de l'agriculture, mhm. notamment en matière de céréales de première nécessité, mais aussi en, en matière d'engrais et de mécanisation de notre agriculture. Mhm. Euh, bon, tout ça, ça se discute. Pour quelles raisons Ce n'est pas du gratuit qu'on va nous donner, on va aller leur proposer. Voilà, c'est à quoi on s'attend de notre part. Mhm. donc, euh, c'est dire que maintenant, aujourd'hui, dès qu'on parle de de la Russie, on parle aussi de Wagner. Euh, est-ce que c'est Wagner que euh, le Premier ministre est allé chercher en Russie ou pas. Euh, toujours est-il que il faut constater euh, ce que c'est la relation avec la Russie. Mais Wagner, oh, sans vous couper la parole, Wagner n'a pas bonne image ou bien bonne. Mais écoutez, ça c'est de la politique interne mhm. qu'il s'agit. Si mhm. les Nigériens veulent, ils peuvent aller le chercher. Mhm. les Maliens l'ont fait. Les Burkinabés avec lesquels nous sommes à côté ne l'ont pas fait. Mais les relations militaires entre les deux sont assumées, ainsi que les militaires les relations euh, économiques. Mhm. D'ailleurs, on a bien entendu dire que euh, une centrale nucléaire, n'est-ce pas, civile sera construite. Euh, alors, mhm. nous, nous sommes producteurs de, l'un des premiers producteurs au monde du producteur d'uranium, mhm. n'est-ce pas Pourquoi ne pas négocier quelque chose comme ça pour que vraiment on soit une véritable puissance sous-régionale en matière d'énergie. Parce que nous avons le soleil, oui, mais l'uranium, c'est encore la source vraiment maîtrisée de production d'électricité. Donc vraiment... Mais au niveau mondial, il existe une politique de euh, ben écoutez, euh, ce n'est pas vrai parce que le coût de l'uranium est en train de monter, mhm. n'est-ce pas Avec ce qu'on connaît, euh, et puis l'uranium le, est moins polluant que les, sources fossiles qu'on connaît, mhm. notamment le carburant, même si on en est encore producteur. donc, la Russie, eh, il ne faut pas se le cacher, c'est aussi un des plus grands euh, pollueurs de ce monde, notamment avec le charbon même. Et donc, s'ils peuvent nous construire, nous, on est partant. Ça, c'est, j'espère, hein. j'espère que notre gouvernement ne peut que accepter une telle proposition, mhm. parce que notre sous-développement euh, est aussi en grande partie dû à la non-maîtrise des sources énergétiques. Mhm. Donc, c'est vraiment, nous avons tout à gagner tout a gagné. Mhm. Euh, maintenant, on sait que certains de nos partenaires, notamment les grandes puissances, ne veulent pas de la des relations militaires ou civiles avec la Russie. Bon, euh, quand mhm. Mhm. le Mali avait annoncé euh, l'arrivée des, Russes, certains sont partis. Mais je crois qu'ils ont mis de l'eau dans leur vin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec nous. D'accord. Donc, euh, c'est une euh, coopération euh, positive selon vos deux prédécesseurs, Monsieur Ousseini Issa. Vous êtes journaliste indépendant aujourd'hui. Quel peut être l'apport de, ce, de cette coopération pour le développement du Niger ben, Il y a toujours une coopération entre la Russie et le Niger. Mhm. Mhm. Il y a beaucoup de Nigériens qui ont été formés mhm. en Union soviétique. Moi, j'ai personnellement un cousin, à plus beaucoup d'autres personnes, y compris l'ancien gouverneur Amidoula. Ils ont tous été formés en Union soviétique. Ils sont nombreux, Alors, C'était une formation et c'était une formation vraiment très, euh, comment on va dire, euh, non seulement théorique mais également pratique. Mhm, mhm. Le problème de la de l'Union soviétique a commencé quand il y a eu l'éclatement, mhm. n'est-ce pas Et c'était, on Quel éclatement L'éclatement, à partir de 88, le, comment ça s'appelle Avec Gorbachev on a considéré la Russie, voilà, euh, tout ça, parce que l'Ukraine aujourd'hui faisait partie de la Russie, c'était mhm. tout ces... Voilà. Mhm. Alors, on s'est trouvé dans une situation où les puissances occidentales ont considéré que tous ceux qui sont avec eux ne devaient pas être composés avec la Russie. Mhm. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où, n'est-ce pas, on n'a pas, en tout cas, d'autres alternatives. Quand ces mêmes puissances occidentales considère que parce qu'il y a eu un événement interne de, renversement de régime, il faut mettre ce pays-là à genoux. Mais pendant que de l'autre côté, des gens sont prêts à nous accueillir. C'est tout à fait normal qu'on se retourne vers eux. Et moi, je pense que c'est une bonne idée que de renouer et de relancer de manière durable ces formes de coopération-là. Parce que c'est des coopérations pas pour Mais pour... Euh, gagnant-gagnant. Je ne dis pas qu'ils sont aussi. Mais ils Qu'est-ce que la Russie a gagné aujourd'hui l'Union euh, La Russie a d'abord à gagner en partenariat. Parce que la Russie est isolée quelque part dans le monde. Mhm. On cherche à l'isoler. Les pays occidentaux cherchent à isoler la Russie. Le fait de composer avec des pays comme le Niger, en tout cas les pays du Sahel, mhm. c'est un positionnement stratégique pour la Russie d'être au Sahel. Mhm. N'est-ce pas c'était inimaginable euh, il y a six mois ou sept mois qu'on puisse dire qu'il y a une délégation qui va aller peut-être dans d'autres domaines économiques, mais ce n'est pas approfondi. Hum, hum, hum. Aujourd'hui, on a les bras, les, mains libres pour aller négocier des choses intéressantes. Et l'avantage, l'avantage avec ces pays, c'est que c'est des pays qui sont sur le plan de l'industrialisation, ils sont très développés. Et sur le plan des investissements qu'ils peuvent faire, ils ne sont pas calculateurs comme les Occidentaux. Mhm. Si on développe des, politiques dans ce domaine-là, ils sont capables de mécaniser notre agriculture, Arimi l'a dit, mais mhm. Maimouna l'a dit. Ils sont capables de nous créer des sources d'énergie et de former nos cadres pour que les sociétés, les, les, les comment vais-je dire, et, les, unités de production industrielle qui vont être mises en place que ce soit des Nigériens, que ce ne soit pas des gens qui vont venir d'ailleurs. Ils vont former, assurer la formation pour perfectionner les gens qu'ils ont formés. Et c'est ça l'avantage. Et c'est en cela que j'ai dit. Parce que, voyez tous ces pays-là. Mhm. L'Inde a été colonisée par les Anglais. Mhm, mhm, Aujourd'hui, l'Inde est une puissance, n'est-ce pas Parce que tout simplement, la forme de colonisation que l'Inde a connue, ce n'est pas quand les Indiens sont les, Anglais, les Anglais sont pactés. Les Indiens, ils ont quand même eu la possibilité de décider de quel type de politique ils vont mener. Mais, mais aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que le Niger pourrait gagner avec, les avec la Russie qu'on n'a pas gagné avec les Occidentaux Beaucoup de choses. Comme quoi Beaucoup de choses. Parce que moi, pour moi, le développement, ce n'est pas ces histoires d'aide au développement. Mm-hmm. N'est-ce pas Parce qu'avec les Occidentaux, c'est le plus souvent ça. Aide budgétaire, crise, euh, euh, il y a quelque chose comme ça, on amène un peu de fonds, mhm. on vous donne, on oriente vos politiques, on décide à votre place comment l'éducation doit se faire, mhm. on décide à votre place comment la santé doit être gérée, mhm. on décide à votre place comment les jeunes doivent se comporter avec la Russie. D'accord. Moi, je pense que ces choses-là, nos politiques, nous allons les décider nous-mêmes nous allons discuter avec eux, voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner à mhm. mettre en place ces mhm. politiques-là. Donc, en gros, c'est une coopération gagnant-gagnant, comme vous le disiez. Et après Moscou, après Moscou, Hussein, euh, le Premier ministre euh, Ali Mohamed Laminzen euh, se rendra en Serbie, en Turquie et en Iran. Quelles peuvent être les retombées pour le pays également C'est un peu la même chose. je je hein, vais prendre rapidement mhm. l'exemple de l'Iran. Quand tu parles, l'Iran, c'est un pays développé, n'est-ce pas Je ne prends pas le cas de la Serbie, qui est un peu l'Europe du, Nord, du Nord oui. l'Europe de l'Est plutôt, mhm. excuse-moi. Mais moi, je vais prendre concrètement tous ces pays-là. Quand je suis en train de dire, c'est des pays qui sont autodéveloppés. L'Iran, la Turquie. La Turquie, tout mhm. ça. Tout ça, c'est des pays on fabrique des véhicules en Turquie, on fabrique tout en Turquie. Mhm. Alors, en Iran, on fabrique des véhicules. Alors, est-ce que nous, nous, nous sommes à un niveau où on doit être maintenu dans une situation où on ne peut rien fabriquer quand on ne développe pas l'industrie, mhm. on ne peut pas se développer. Donc Alors qu'on a toutes les ressources pour mettre en place, mhm, mhm. on a tout à gagner. Armi, vous vouliez dire Je voulais dire qu'avec la Turquie, l'Iran, d'abord, euh, culturellement, on est assez proche parce que c'était quand même des pays à dominance euh, musulmane, mais aussi au plan de l'éducation. Beaucoup d'étudiants nigériens ont étudié, en fait, des Nigériens ont étudié en Iran, mais aussi actuellement, la, euh, Turquie accueille beaucoup offrent des bourses. Mhm. En fait, ils ne font pas que accueillir. Mhm. Alors que du côté de notre ancien partenaire, mhm. aujourd'hui, même l'accès pour aller étudier, ça devient un problème. Mais aussi, ce n'est pas l'ancien régime qui va nous démentir qu'au plan économique, la, Turquie a tout à offrir, n'est-ce pas, au vu des réalisations de l'aéroport de Niamey, des hôtels qui sont là et tout, et des routes qui sont en train d'être construites. Beaucoup d'entreprises interviennent là-bas. Et les Iraniens euh, dans la guerre que nous menons contre le terrorisme, mhm. aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui fournissent beaucoup de drones, même à la Russie, à plus forte raison. Donc, nous aussi, on peut apprendre les Serbes mhm. du point de vue ne, serait-ce que de l'aviation, mhm. n'est-ce pas euh, On a beaucoup de pays dans le monde entier utilisent des. Merci. Euh, et vous, Maimouna, rapidement, que pensez-vous vraiment de ce que le Niger pourrait gagner vraiment de ces trois pays Ce que je, pourrais, je voudrais dire déjà, à l'a dit, et ce que tout simplement, aujourd'hui, ces pays-là qui seront visités par euh, le, Premier ministre, sa délégation. vraiment, euh, ces pays n'ont pas été choisis au hasard. Mm-hmm. C'est parce que ce sont des pays qui ont potentiel en tout cas développement, mhm. peuvent apporter beaucoup de choses pour le Niger. Nous avons de quoi, en tout cas, fortifier notre, nos relations mhm. euh, et, on a de quoi quand même mhm. moderniser ou euh, industrialiser nos entreprises. Comment est-ce qu'il faut aujourd'hui, en termes de formation, former des Nigériens pour que ces Nigériens aujourd'hui soient capables, euh, non pas capables quand il y aura peut-être une machine en panne, pouvoir arranger ça sans pouvoir le transporter pour la transporter pour aller dans un autre pays. Donc on a tout à gagner. vraiment et ça sera une coopération gagnant-gagnant. Merci donc euh, pour vos analyses sur ce premier sujet. On se retrouve dans un instant euh, pour la deuxième partie du forum de la presse de ce vendredi. Deuxième sujet, le jeudi 11 janvier 2024, des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste de contrôle de l'escadron de sécurité routière et d'escorte de la gendarmerie de Laoudou sur la route de Saya. Le bilan officiel de cette attaque est de trois civils tués, sept autres blessés, dont deux gendarmes et deux véhicules civils emportés. Notez que cette attaque est intervenue dans une localité située à 17 km au sud de Niamey. Arimi Abba, une attaque aux portes de Niamey. Doit-on craindre des menaces sur la capitale ah, c'est sûrement, c'est c'est ça la sécurité. Il n'y a pas de petite insécurité. Certes, bon, euh, bon, d'aucuns disent que c'est parce qu'on n'est pas très informé, sinon que les attaques se poursuivent euh, un peu partout dans la zone de, dans la région de Tilaberi, mhm. notamment aux abords de Terra et mhm. autres. Mhm. Mais ça vient confirmer vraiment cette attaque de l'Adou. Euh, à 17 km, donc même disent 13 km. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont pu emporter des véhicules, mhm, mhm. Euh, véhicules, de, véhicules. Euh, voilà. Et, militaires. militaire. Donc, c'est tout à fait inquiétant. Mhm. Et je pense que le, on, on doit faire, en fait, nos FDS doivent faire, doit faire un peu plus attention. Certainement, ce n'est pas faute d'avoir dormi, mais comme on l'a dit, c'est une guerre un peu asymétrique, mhm. n'est-ce pas Souvent, on ne sait pas d'où est-ce que euh, des assaillants sortent. Mhm. Ils viennent parfois à pied ou à cheval et s'en vont. d'une capitale. D'une capitale euh, comme Niamey. Euh, donc, il faut vraiment renforcer de, vigilance, à mhm. mon avis, parce que ça, on a beau dire que ça va, mais quand il y a une attaque à 12, 13, 14 km de Namé, c'est mhm. tout à fait euh, inquiétant. Mhm. Euh, maintenant, euh, il faut. C'est cette zone-là, dans tous les cas, je crois que on se rappelle de l'attaque déjà de toujours Versailles, du village de qui a suscité une attaque récente, voilà mhm. attaque récente chez les orpailleurs là et Tamou. Ah, Tamou, c'est aussi non loin de Niamey, en mm, fait, c'est à mm, côté mm. de ça aussi. Et donc, il faut vraiment parce que c'est une zone compliquée. C'est une des exutoires de la zone des trois frontières. Mais quand même, les forces de défense sont présentes dans cette zone. Mais écoutez, c'est des euh, des gens qui ne, qui ne manquent pas de, courage, mais aussi c'est des actions d'éclat il faut venir faire euh, montrer à la face du monde que ça ne va pas. Mhm. Parce que attaquer, bon, dans la brousse de Terra, euh, souvent ce n'est pas entendu et mhm. peut-être ce n'est pas vu. donc ils se disent que les gens vont le négliger parce mhm. qu'ils font aussi un travail de communication. Il ne faut mhm, pas. Euh, ils viennent donc, ils sont venus défier euh, nos, FDS jusqu'à la porte de Niamey et ça, c'est vraiment de leur côté pour ceux qui les soutiennent et tout, une, action, une action vraiment importante qu'ils viennent de mener. Justement, selon une source sécuritaire, les assaillants même se déplacer à bord des véhicules de transport en commun, à savoir des ILUS. Alors, Hussein Issa, comment vous analysez vraiment ce nouveau mode opératoire de ces hommes armés eh Quand on dit une guerre asymétrique, on ne peut jamais connaître l'ennemi. C'est une nouvelle euh, tactique. Moi, c'est pas, c'est ça la symétrie. Mm Ça dit, je peux pas savoir exactement qui, qui c'est l'ennemi. Mhm. Et comment il va s'en prendre. Comment il va s'en prendre Quel est son mode opératoire C'est mhm. ça la difficulté de pouvoir gérer ce genre de conflit-là. Mhm, Moi, souvent, j'ai fait des reproches au niveau surtout des postes de contrôle. Où tu as l'impression que les gens se sentent en sécurité. Vous venez, vous, arrêtez, on vient, on contrôle, et puis les gens passent comme ça. On ne mm. prend même pas grand soin de vérifier en profondeur. Il y a un manque de vigilance, donc selon Oui, mais non, c'est une baisse de vigilance, je vais dire. Les gens, c'est quand il y a des situations comme ça que les gens reprennent. Mais dès qu'il y a une accalmie, il y a, une baisse de vigilance. Et c'est ça qui est dangereux en termes de guerre asymétrique. Mm. Parce que véritablement, l'ennemi, quand il vient, peut-être il a déjà étudié le terrain, n'est-ce pas mm. N'est-ce pas quand on dit ILUX, est-ce que c'est des véhicules de transport passager véritablement mhm, mhm, mhm. C'est la question qu'il faut se poser. Quand on dit que les ACA même étaient sous des bâches, n'est-ce pas Ils ont franchi le poste. Ils ont fait une centaine de mètres, ils sont retournés sur leur trace. Selon vous, donc, il n'y a pas eu de contrôle euh, Quelque part, je me pose des questions autour de ça. Parce que je me dis, il faut être suspect dans ces zones-là. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu le cas de Bougoum, à 18 km sur la route de Torodi. Mhm. Je ne sais plus c'était en 2021 ou 2022, mhm. mhm, n'est-ce pas Où il y a eu un gendarme tué, oui, je ne sais plus, un gendarme et plusieurs blessés. Alors, quand il y a des choses comme ça, moi je n'exclus pas que ces djihadistes-là qui aient même des, cellules dormantes à Niamey. Moi je n'exclus pas ça. Je n'exclus pas. Parce les FDS donc doivent en tirer le C'est pas que les FDS, y compris les populations, doivent s'activer. En tout cas, quand vous voyez le suspect, il dit ça. Mhm créer les conditions pour que ceux qui dénoncent aussi soient sécurisés. Mhm. C'est aussi mhm. un autre défi. Mhm. Parce que souvent, les gens, surtout dans les villages, hein, pendant une longue période, quand on dit que des, villages, des chefs de village ont quitté leur village, des imams ont quitté leur village. Mais une coopération civilo-militaire est nécessaire dans ce cas Mais justement, mais le problème, c'est que ces mêmes individus-là, ces djihadistes ou ces bandits armés-là, ils ont des informateurs dans les villages. Moi, personnellement, dans cette zone-là, il y a des gens qui m'ont dit, des gens que j'ai interrogés, quand l'armée vient dans une localité pour chercher de l'eau, mhm. ou pour causer, on vient, on va demander chez l'imam, on va demander chez le chef de village. Mhm. Mais pendant que, en tant que chef de village, vous êtes obligé de collaborer. Mhm. En tant qu'imam, vous êtes obligé. Mais dès que vous s'en vont, on ne sait plus qui est qui. Les, les sont informés. Mhm. Quand ils sont arrivés, c'est un tel, ils sont allés voir. Mhm. Le lendemain ou le même jour, le soir, quand ils savent que les forces de défense sont partis, ils mhm. reviennent. Et ils vont directement chez toi. Mais comment changer, comment changer, comment résoudre ce problème C'est un problème très complexe. Parce que moi, j'ai dit, on a toujours dit sous l'ancien régime qu'ils viennent d'ailleurs. Ils viennent de nulle part, ils sont sur notre sol. N'est-ce pas moi, j'ai dit, il faut faire des vastes ratissages. Ratissage hmm. ratissage, parce que je ne peux pas comprendre. Une zone où on a décrété l'introduction de circulation de motos depuis pratiquement 2017. Hmm. Où on dit les motos ne circulent pas. Hmm. Qu'on se retrouve avec 50 motos, 100 motos, des cohortes de 100 motos. Alors on se pose des questions. Mais il a, à la date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu d'opération de ratissage Mais il y a eu des opérations, il y a eu des opérations de ratissage. Mais c'est des opérations ponctuelles. Mhm. Moi, j'ai dit, il faut faire la, la, il faut maintenir, ah, il faut faire, il faut, il faut le faire, il faut, il faut faire ces opérations de mhm. manière, mhm. vraiment de manière régulière. Et de l'autre côté, et de l'autre côté, il faut pas perdre de vue aussi que c'est des gens. D'accord. Ils opèrent avec des engins explosifs improvisés. Et ça fait, ça fait que c'est une zone totalement, dangereuse. C'est ce qu'on disait, une vigilance doit être euh, de mise. La Alors vigilance doit être mise. Mais Mouna, à votre avis, à votre avis, est-ce qu'une collaboration interrégionale pourrait-elle prévenir des attaques à ultérieurs au poste de la capitale Mais bien sûr, bien sûr que c'est une coopération qui peut, en tout cas. Euh, si c'est bien réussi, si c'est bien réfléchi, mhm. ça peut mettre euh, un terme à cette situation. Mais maintenant, moi, ce que je voudrais, là où je voudrais surtout mettre l'accent, c'est vraiment le renforcement en termes de, euh, de ressources humaines au niveau de nos postes de contrôle. Oui, les forces de défense. Au niveau, oui, des forces de défense et de mhm. sécurité. Mhm. Parce que aujourd'hui, quand tu prends la zone, tu arrives à un poste de contrôle, tu vas te retrouver avec moins de 10 euh, militaires positionnés, mm, mm, mm. peut-être a, priori. En tout cas, ce que moi j'ai vu, ça dépasse pas cinq ou six militaires que tu vois devant toi. Donc, il y a nécessité de renforcer nos postes de contrôle par les ressources humaines. Mm-hmm. Et quand je dis les ressources humaines, il faut réfléchir parce que dans chaque ressource humaine, il y a quand même une capacité de, euh, de, technicité mm-hmm, mm-hmm. Euh, oui, oui, qui est allouée à chacun, oui, oui, à chacun d'eux. Donc, et surtout, contrôler les véhicules. Contrôler, c'est très important parce que il y a, parce que moi j'ai l'habitude de, de, voyager parce que c'est ma zone. Il y a des fois, dans le, euh, la voiture de, transport en commun, mhm. des gens, quand vous arrivez au niveau poste de contrôle, mhm. il y a ceux qui restent dans la voiture qui ne descendent pas qui ne descendent pas. Et c'est pas bon. Mhm. Parce que là, tout le monde doit descendre. Mhm. Tout le monde doit passer. Nos forces de défense doivent redoubler de vigilance. parce, Que, parce que j'ai constaté ça. Mhm. J'ai constaté qu'il y a des gens qui ne descendent pas pour aller présenter leurs pièces. Alors que tout le monde doit. que tout le monde doit descendre nécessairement parce que la voiture doit quitter vite pour aller prendre les passagers devant. Donc ça permettrait de contrôler parce que quelqu'un qui veut s'en prendre, on ne sait jamais d'où l'ennemi sort ceux qui restent dans le véhicule aussi doivent être contrôlés. Donc il y a des gens qui payent de l'argent pour sans se faire contrôler également. Il y a, oui, oui, mhm. il y a toute cette situation. Mhm. Mais vraiment, il faut redoubler de vigilance. Mhm. Parce que là, là, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est une bande que les terroristes suivent pour aller jusque vers euh, Oui, oui, c'est la brousse. Donc, c'est bien bon de venir de ce côté mhm. pour pouvoir appeler la population. Parce que c'est une zone. Tu mhm. peux quitter de Harobanda pour aller jusque dans mon village là-bas, à mhm. qui est situé à 45 km à Versailles. Tu n'auras pas de problème. Mais maintenant, avec cette psychose, c'est-à-dire qu'il faut installer une psychose au sein donc, euh, de Niamey, tout près de Niamey, pour que les voies parce que c'est vraiment... En à tout un chacun, donc, de redoubler de, vigilance. vous, hein. aujourd'hui, euh, euh comment vraiment améliorer même euh, la relation entre civils et militaires pour lutter efficacement contre cette... En fait, ça, c'est très complexe. Euh, il a toujours été dit oui, c'est les civils qu'on protège, mhm. mais les civils, normalement, c'est une qualité. C'est-à-dire, c'est un des acteurs qui doit normalement être en dehors de tout. Il ne doit pas être informateur et il ne doit pas collaborer avec qui que ce soit parce mhm. que une collaboration euh, qui est détectée, euh, tout de suite la, la, personne devient aussi une cible. Mhm, mhm. Donc pour éviter de l'amalgame, normalement c'est les renseignements qui doivent faire correctement leur mm-hmm. travail. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon, c'est aussi complexe que ça parce qu'on a dit que c'est une guerre asymétrique et ce sont généralement des enfants du terroir qui sont impliqués, euh, mais aussi pour plusieurs raisons. Là, on nous fait savoir que c'est des terroristes, que mhm. c'est des, pour des raisons religieuses, mhm. mais et qui ont des familles. Voilà, mais c'est souvent, c'est souvent au-delà de ces considérations. Il y a des considérations sociales, d'ordre économique et tout qui rentrent en ligne de mire. Mhm. Et donc vraiment, euh, normalement, nos FDS, de sensibilisation ça s'impose, ça s'impose nécessairement. Il faut sensibiliser la population, il faut sensibiliser les jeunes de ne pas aller, mais offrir aussi des alternatives aux jeunes, des mhm. perspectives aux mhm, jeunes. Mhm, Parce que un des perspectives de travail. De travail, par exemple, d'autonomie de, au plan économique, n'est-ce pas Mais aussi de compréhension, donc de formation. Il faut vraiment. Il y a aussi la question de la cohésion sociale. comment la renforcer Justement, comment la renforcer Tout ça, c'est de, la, de la sensibilisation. Et donc, vraiment, c'est beaucoup de choses à faire pour, euh, euh, en faveur des jeunes, mais des actions militaires, mais pas que. Pas que, parce que, bon, là, c'est un régime, euh, Bazoum a avoué mhm. euh, avoir négocié avec les terroristes et tout, on sait ce que ça lui a valu, mhm. mais ce n'est pas des pistes à exclure non plus. Il faut parler quand c'est des enfants du terroir. Mhm. hein? même si les, armes, c'est vers nous qu'ils vont revenir encore. La, euh, vigilance, doit, être, à deux Alors nous clôturons la deuxième partie du forum de la presse euh, sur ces mots. Restez avec nous, cap sur la Coupe d'Afrique des Nations dans les prochaines secondes. Du sport donc pour terminer et bien évidemment c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier jusqu'au 11 février 2024. La première journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique s'est tenue le mercredi 17 janvier 2024. Deux matchs ont clôturé la première journée sans surprise le Maroc a battu la Tanzanie par 3 buts à 0, score de parité entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Toutes les équipes ont livré des premiers matchs. Alors, je me tourne vers vous, euh, Arimi, le sportif euh, de la team, si je peux le dire. Alors, comment vous appréciez cette canne 2024 Bon, euh, à mon sens, il n'y a pas euh, énormément de surprises. Hein. Mhm. La Cannes, les premiers matchs des, groupes, n'est-ce pas mhm. La première journée des groupes, c'est généralement un peu morose. Euh, ce n'est pas très riche en buts. Cette fois, d'ailleurs, il y a eu des buts, mm-hmm. euh, n'est-ce pas On sait que le, la Côte d'Ivoire a marqué deux buts, le mm-hmm. Maroc a marqué mm-hmm. trois buts, euh, le Burkina a marqué deux buts. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est une canne plus ou moins prolifique comparée même aux, can cannes passées. maintenant, est-ce que un il y aura un intrus dans le cercle très fermé. Des, prochaines voilà, je crois pas non plus. Euh, je vois des petites des équipes qui essaient d'émerger. Euh, bon, le Burkina, on ne peut plus les considérer, par exemple, comme une petite équipe parce mmh. qu'en dix participants, une dizaine de participations, mhm. ils ont déjà joué. tout, voilà, jusqu'en finale sans pour autant l'emporter. Mhm. Le Mali aussi, depuis la canne passée, ils étaient parmi les favoris. Mhm. Mais la super favori, euh, les super favoris, on les a vus hier. C'est certainement le Maroc Mhm. mais aussi le Sénégal, mhm. tenant de titre, mhm. et le pays organisateur, tout de suite, ils sont normalement en train de jouer, euh, euh oui, normalement contre le, Nigeria. Mhm. S'ils passent c'est le, deuxième match. Donc, s'ils passent ce cap, euh, cette étape-là, peut-être que euh, eux aussi, vont, aller loin. Mais il y a des mhm. imprévus de la Cannes et qui ont le plus grand nombre de Cannes remportées. Mhm. C'est l'Égypte, c'est le Cameroun. et l'Algérie est là. Personne n'en parle. Ils peuvent surprendre tout le monde parce que leur équipe est intacte pratiquement. Et c'est l'un des mondialistes euh, malheureux, vraiment, qui n'ont pas pu se qualifier à cause du Cameroun. Mais on sait qu'ils ont une des meilleures équipes euh, du continent. Alors, donc, c'est comme on le dit, le ballon est rond pour tout le monde et la pelouse est verte pour tout le monde. il ne faut pas s'attendre à une surprise. Mais Mouna euh, malgré l'absence du Niger à cette canne, deux pays de l'Alliance des États du Sahel s'imposent. Il s'agit du Burkina qui s'est imposé face à la Mauritanie par un but à 0 et le Mali qui a battu l'Afrique du Sud sur un score de 2 buts à zéro quels sont, qu'est-ce qui vous impressionne, quelles sont vos analyses <laughs> on fait partie de <laughs> justement Nafisa, nous sommes aussi dans, <laughs> dans la compétition parce que Le pays nous représentent, le Niger hein. <laughs> donc euh, on ne peut que leur souhaiter en tout cas bon vent mhm. et j'ai vraiment aimé les deux la performance de ces deux équipes là et vraiment s'il y a des surprises il faut s'attendre donc à beaucoup de surprises venant de, ces deux pays là mhm, mhm. ils ont vraiment ces deux pays sont en train de représenter le Sahel représenter l'AES vraiment. Et euh, tout le monde, en tout cas ici au Niger, mhm. euh, sont derrière ces deux pays-là. Mhm. Bon vent et que euh, la coupe, pourquoi pas, revienne soit au Mali ou au Burkina Faso. c'est le, souhait. le, souhaite. Depuis 2015, si je ne me trompe pas, l'équipe senior du Niger ne s'est pas qualifiée aux phases mhm. finales 2013, c'est ça, aux compétitions continentales et mondiales de football. Selon vous, pourquoi, Ousseini parce que ça va pas, c'est tout. Mais attends, mais pourquoi Non, mais c'est parce que tout simplement. Pourquoi ça ne marche pas donc au Niger Pourquoi ça ne marche pas mhm. Parce que le foot est devenu un business local, n'est-ce pas Pourquoi je dis c'est devenu un business local On ne fait pas des investissements. Il y a, parce que le foot, moi j'ai connu, je m'intéressais beaucoup au foot dans les années 80. Mhm. À l'époque, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais les gens jouent avec le cœur. Mm. J'ai connu les jagundi, les, les, les, les les, les Lawandidi, les Hacha, tout ça. Donc vous voulez dire que les joueurs ne sont pas motivés aujourd'hui Comme l'argent est rentré en pagaille dedans là, <laughs> les gens ont compris qu'on peut gagner de l'argent dedans. On ne met pas la bonne volonté. Quand il s'agit, je parle sous le contrôle de Harimé, hein, parce que voilà. Mais quand je vois tout ça, quand je vois un peu une fédération qui est là, quand je vois un peu comment les sélections se font, mm. souvent j'ai eu dit comment on a sélectionné un tel, comment on a sélectionné un tel. Quand je vois qu'il n'y a pas de suivi, il y a juste au moment où il y a des compétitions en vue, on regroupe les joueurs, on les met au vert pendant un, moment. Mm-hmm. Il a pas. Quand il s'agit de faire la sélection, il y a beaucoup de potentialités même à l'intérieur du pays. À l'époque, on détectait des potentiels qualités. Mm-hmm qu'on qu mhm. Aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est une équipe et il y en a qui sont complètement rouillés. Et on les maintient. La faute à qui Au gouvernement mais, la faute la faute d'abord à la, à la, à la, euh, oui, à la fédération, mais bien évidemment, c'est un problème de, de, politique. Quand la politique fait défaut, en matière de gestion. C'est pas seulement dans le foot, dans tout domaine, quand les bonnes politiques publiques ne sont pas mises en œuvre. La politique sportive ou bien globale quand je dis en matière de football, qu'est-ce qu'il faut faire S'asseoir, se demander on ne peut pas se lever un matin parce qu'on dit, euh, comment dirais-je, euh, il y a les compétitions, les éliminatoires. Mhm. on se lève, on dit, ah, on met en place, on va, on fait deux matchs, on nous renvoie à la mhm, maison. Mhm. On ne se pose même pas la question, pourquoi ça s'est passé comme ça Est-ce qu'on peut continuer comme ça À l'époque, à l'époque là, notre équipe, le MENA était créé. Même par la Mhm. Même par la Côte d'Ivoire, avec mhm. les. Comment il s'appelle euh, Comment il s'appelle euh, euh, dans les années 2010, 2011. Alors. Non, non, je parle des années jusqu'à. Oui, mhm. voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Il n'y a pas. Il y a pas le Burkina était loin de Yengou à l'époque. Très loin de Yengou. Et quand on voit comment ces pays-là et quand, la quand on voit comment ces pays ont pu. en 90, on les a gagnés 7-1 ici. Aujourd'hui, ils sont à leur quatrième euh, qualification consécutive. Mais, aussi, hein, vraiment, il faut se dire la, vérité. Qui est responsable Il n'y a que la Fédération nigérienne de mhm, football qui mhm. peut être responsable parce qu'ils ont délégation de pouvoir pour gérer le football au plan national. là où c'est grave, il y a 24 pays. La, la Cannes maintenant, c'est à 24 pays. Mhm. Sur 52. On n'est pas qualifié. En Afrique de l'Ouest, il y a une dizaine, le football ouest-africain domine le football continental. Mhm. On a une dizaine de pays mhm. Mhm. qualifiés. Le Niger ne fait pas partie. Ça doit attirer notre ascension. Et le Mali, et le Burkina, leur chance, c'est qu'ils ont beaucoup investi dans la formation des jeunes, qu'ils ont chaque année une crème de jeunes qui vont dans les pays où le football est encore mm-hmm. plus développé. Ils reviennent et ils ont des résultats avec leur équipe nationale. Au Niger, on nous a donné, cette fois j'ai vu la possibilité de mettre en place des centres de formation mm-hmm. avec l'appui de l'État. Mais là aussi, la fédération s'en est accaparée. Les centres de formation sont des affaires privées mm-hmm. que le club et les particuliers doivent gérer pour les prochaines compétitions, que faire pour ne pas les rater alors Écoute, l'un de nos adversaires en éliminatoire de la prochaine Coupe du Monde, la Zambie a joué. Mhm. Normalement, nous, on a joué déjà contre la Zambie au Maroc et on les a gagnés. Mhm. Mhm. N'est-ce pas On les a vus, on a vu leur match contre le, Congo et apparemment, c'est une autre Zambie qu'on a vue. Nous, qu'est-ce qu'on va faire pour que le match retour contre ce pays, par exemple, on se comporte mieux Dieu seul sait, parce que nous, on n'est pas en compétition et en matière de sport, il n'y a rien qui puisse remplacer la compétition. Donc, il faut tout faire pour être de toutes les fêtes et non pas encore pour aller faire la figuration, c'est dépasser. Et sur le plan stratégique Sur le plan stratégique, à mon avis, il faut investir dans la formation, avoir la patience. Mhm. vraiment de fonder une génération de foot. Revenons sur cette canne. Vous, Ousseini, quelles sont euh, les équipes qui figurent sur votre liste des favoris aujourd'hui pour cette canne en dans la liste des favoris, hein, moi, je n'exclus pas les Maliens, je n'exclus pas d'abord prioritairement mhm. les Maliens et les Burkinabés. Un pays de l'AES. E non, mais c'est pas une affaire de l'AES. <laughs> non, c'est karma, c'est des mhm. bons joueurs. Mhm. J'ai observé les deux matchs, j'ai vu comment ils sont capables de se déployer sur un terrain. Et ils n'ont plus de complexe, n'est-ce pas Maintenant, j'ai vu le Maroc aussi qui a joué hier contre la Tanzanie. J'ai vu un peu la capacité. C'est une équipe encore avec euh, laquelle il faut compter, mhm, mhm, mhm, n'est-ce pas Maintenant, pour ceux qui sont des pays qui ont l'habitude de remporter, je pense, j'ai pas vu le match du Sénégal. Dans, la première journée. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne peux pas me prononcer. La Côte d'Ivoire et le peut-être j'aurai la chance de voir. <laughs> Mais pour l'instant, ce que j'ai observé par rapport à ces, matchs-là, je, je, suis convaincu que on va compter avec l'Afrique de l'Ouest. Mhm. En tout cas, en tout cas, juste, euh, ils vont faire un bon, un bon chemin, mhm. un bon bout de parcours dans cette canne-là. Alors, vous, Arimi, quels sont vos pronostics euh, maintenant, bon, il y a les pronostics, mais aussi il y a le risque que euh, des grands se neutralisent. Mhm. bon, je n'ai pas fait euh, ce travail, mhm. mais il faut voir les deux mondialistes, c'est-à-dire le Maroc, le Sénégal, n'est-ce pas, et les deux de l'AES, comme Memouna aime le, à le dire, mhm. le Burkina Faso, le Mali. Mais la CAN, souvent, c'est une affaire d'initiés. Et les pays qui ont le plus grand nombre de cannes remportées, c'est le Cameroun, euh, l'Égypte et euh, le Ghana. Mm. Le Ghana, on les a vus, je pense qu'ils n'iront pas jusqu'en euh, finale. Mhm. J'ose le dire, hein, c'est bien possible en matière de, de Cannes. Mais le Cameroun, c'est des gens qui surprennent beaucoup et avec à leur tête euh, Samuel Eto'o. Euh, ils peuvent faire la différence. Donc mhm. vraiment, un dernier carré, Sénégal, Maroc, Burkina Faso, Mali, c'est possible à mon sens. Et vous-même là, vous regardez la Cannes, vous avez des équipes favorites vous aussi, à part l'AES, les pays de l'AES Oui, euh, <laughs> bon, je, Je, vois le Maroc, mhm. je vois un peu également la Côte d'Ivoire. Hein. Mhm. Euh, c'est un pays aussi qu'il ne faut pas exclure, hein, mhm. parce peuvent faire des, <coughs> merveilles aussi. Il y a également le Cameroun, hein. je n'exclus pas aussi euh, ce pays-là en tout cas. Oui, oui. C'est rare en Cannes les équipes, les petites nations mhm. qui intègrent le Sénégal. Mhm. Difficilement, vous avez vu. Et avec quel travail au niveau des jeunes mhm. sont parvenus. Et aujourd'hui, ils caracolent pratiquement au sommet du football euh, continental. Et un seul pays a organisé la Cannes et l'a ah. remporté, c'est l'Égypte. Et est-ce que vous pensez que le Sénégal peut faire un doublé aujourd'hui C'est possible parce que Jusque-là, ils ont remporté toutes les compétitions en matière de football chez les jeunes et chez les seniors, mhm. euh, je ne vois pas pourquoi, pourquoi pas le Sénégal. RDC, ah je les ai vus <laughs> hier. Oui, oui. Euh, c'est une bonne équipe, mais assez moyenne au comparé au Il faut espérer aussi. il faut euh, espérer. La réalité du terrain est tout autre, à mon avis, pour mhm. cette fois. Alors, merci, merci, chers invités. Nous étions en compagnie donc de Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi journaliste à la radio alternative. Auditeurs et téléspectateurs, c'est la fin donc de ce forum de la presse. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 minutes, vous suivrez les forums à Hausa et Zarma. Retrouvez toutes nos émissions sur www.studiokalangu.org. La technique est assurée par Ami Amina Hassan. À la régie vidéo, nous avons Mustapha Ayuba. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous. À vendredi prochain. Au revoir.